C'est bon. Euh, ndey ji réew ak euh, ñëpp ñi nga xamante ne ay kilifa lañu jóge ci mbaaw ñëw ci événement bi ñu ngi leen di dalal di kontaan ci ñoom di nuyu aussi la chef du village di ko sant ci déplacement bi donc dañuy aussi ci discours bi après euh, oh, euh, nous les membres de l'association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics saluons tous ceux qui sont présents à cette cérémonie d'ouverture et de lancement des activités de l'association des ouvriers du BTP. Plus particulièrement, M. Abdikarim Sal, maire de la commune de Mbao, M. Anne, CRDT e G15. Nous saluons aussi euh, M. Diouf de la CSA, M. Ousseinou Ward, nous saluons M. Mohamed Ben Diop, président du parti Passe-Passe, avec sa délégation ici présente. Nous saluons aussi euh, M. Bert, ingénieur, et tous ceux qui sont là, vraiment, qui nous accompagnent dans cette cérémonie. Euh, aujourd'hui, c'est une journée communément appelée Fête du travail. Mais nous, ouvriers, nous l'appelons journée de réflexion pour le développement de l'ouvrier au Sénégal. Euh, notre pays, le Sénégal, a besoin d'associations comme l'AOSBTP pour développer ce pays. Donc cette association a été créée dans le but de renforcer les capacités et la connaissance des ouvriers et les valoriser pour qu'on puisse vraiment participer au développement du Sénégal. Et sur cette lancée, nous appelons toutes les autorités de ce pays plus précisément Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, et tous les ministres qui détiennent des rôles dans notre domaine, comme le ministre de l'Urbanisme, de l'Emploi, nous appelons tout le monde pour qu'il nous épaule dans nos activités pour l'avenir de l'ouvrier au Sénégal. L'association demande aussi aux écoles de formation de nous apporter leur contribution pour que les ouvriers qui ont des connaissances qu'ils ne peuvent pas démontrer puissent avoir un moyen de le faire. Tous les acteurs du BTP sont aussi appelés à une parfaite collaboration avec l'AOBTPS dans une marche vers le développement. Une sécurité dans la construction et un Sénégal avec des ouvriers qualifiés et calés, expérimentés, et que chacun d'entre nous puisse être assuré qu'il peut avoir confiance aux constructeurs de ce pays. De ce fait, nous adressons ce message au président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, pour qu'il nous ouvre la voie, qu'il nous crée beaucoup d'écoles de formation. On en a besoin pour les ouvriers et tout le corps du bâtiment. Nous lui disons aussi que les ouvriers sont prêts pour le développement de ce pays, ainsi que le slogan qualité, coût et délai ne sera plus un simple slogan, mais une réalité qui sera vécue par tout le monde. Merci beaucoup.